le studio Kalangu présente Chocolaté. La T. Hey. Hey. Chocolaté Dondi, la machine te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Ouais, oui, bah, ça va, tout se passe bien là Ouais, je vais très bien. Mais c'est quoi ces flots là Mais c'est ouf quoi, tu veux lui arracher quoi je vais lui arracher ça. Non, sourde. <laughs> Laisse-nous en paix, chocolaté. Alors, on te souhaite la bienvenue en tout cas sur cette émission. Vous avez certainement compris qu'aujourd'hui, c'est Chocolaté qui va donc s'exprimer sur cette émission. Eh elle a du talent. Elle n'est plus à présenter, certes, mais certainement les jeunes oh, qui kiffent cette émission à travers nos différentes euh, radios partenaires ont envie de savoir plus sur l'artiste. Et en 5 minutes, euh, nous allons la cerner. Chocolaté. Qui se cache derrière Chocolaté Mais il de Chocolaté Banda. <laughs> Chocolaté te chocolaté mat kinani ni gine ne se kurara ma fonu nu tunda jiri fonu na hay o furunda pour que jeune me bay barkan katenen OK l'état civil je m'appelle Leila Ouseni uh -huh. nom d'artiste chocolaté uh -huh. je suis né le 5 août 2000 5 août 2000 ouais à Niamey before that before that 2000 <laughs> non bon chocolaté ma wadi chocolaté oh, il faut kati chocolat ça Ok. Chocolaté. c'est le nom de l'artiste comme ça, Chocolaté. Oh. C'est un nom qui date des longues années au fait, puisque depuis mon enfance même, oh. très Zakatare au fait, chocolaté nigeti. Puisque avant la nouveau femme, ah. j'adore les chocolats. Ah. Nouveau femme, ah. son bas il faut noter, fou nouveau femme, dingo je oh. vais de caner ces chocolats et puis voilà, je vais tout balancer. <laughs> Ok, mina kebe. Alouati forano sintin na Oh. Ça fait de cela trois ans. Mhm. trois ans, quatre ans comme ça. Quand il faut nous quand rapport. Bon, encore des rapport. Hein, parce que oh. j'ai vu que, au fait, surtout au Niger, signe afoy afoy il des choses comme ça quoi. Oh, oh, oh, oh, je suis là.

Non, non, non, non, je suis là pour amener du changement. Changement Oui. Il faut le changement quand nous Kandar Niger. Ah. C'est pour amener le changement, pour amener le pays loin. Je suis là pour les aider à contribuer, ah. amener le pays loin par la musique, Inch'Allah. Bon, ok. Quelle serait ta réponse à l'endroit de ceux qui disent que la musique est synonyme de ou Weborei, Zei, Keina, Iman, Hima, Imedono Bon, nous sommes là pour nous aider à Voilà.

matkina no ir hima ir mate pour que niger mi ji ko am di jini pour que way boray ze kayen na fonde sambu mu donunge mo yumrande mi zada o suni gine instant solennel sanga misali ga artiste s'exprime o bumbuda nena bag sintin e min do tam dan tan hay kul kan woni bina bon nega banam gi ci halar gicer ko bay deura mhm. ta bon kegi tonen di do e que wala vraiment e irim tundirim e bacari irim e macarsi irim cermanin cerga irim dugu zada parce que tant que irin hawa irin babi tare da binera irsko di jina parce que nongo niger nongo fam irsi bacari wesh on est tous des artistes mais irsi bacari irgo di cerde no irsi bacari mm. alors que dirgo cerdino da depuis mais no karde ir mm. mais no karde niger on est tous talentueux. Hein. Mmh. Voilà, il Niger talent gono. Grave. Grave. Mais il faut fore de cherno nous femme. Dire que fore de cherno dol no bordiare mo sir sambo sérieux. Hmm, aramade en kan sokola ateji. ani ar kalandre faniyo ani wande tilo papa et tilo mama ar kalandre faniyo c'est l'union qui fait la force et ensemble que nous pouvons déplacer les montagnes. Ainsi par la queen de la Dream Zone <laughs> sur l'émission Tous à la Fada. On se prendra demain plaisir deux pour partir déjà de son premier single et parler par la suite de ses projets Chocolaté, Mm la machine, prends congé de toi sur ce premier tango. ir bam.